où il va procéder à la prestation de serment devant une parterre de chefs d'État et de gouvernement qui, pour l'occasion, sont nombreux eh, pour assister en tout cas à cet euh, événement. Alors, euh, sans doute, comme vous le voyez sur ces images, on voit que les présences des invités avec ces images ne souffrent d'aucune contestation. On a vu beaucoup de véhicules à l'entrée de Djamnyadjo des invités qui sont venus un peu partout, hein, vous l'avez dit, dans la sous-région, mais aussi au niveau euh, du Sénégal, sur l'ensemble des 14 régions. Ils sont nombreux à ne pas vouloir manquer ce rendez-vous. Et Maria Tramé, à l'instant, nous arrivons au centre des expositions de Djamiajo, où le cortège du président Bassirou Diomaye Faye va d'un moment à l'autre s'immobiliser pour euh, euh, euh, euh, en tout cas entrer au niveau du grand hall qui doit abriter la prestation de serment. Donc les images en disent long en tout cas sur l'ambiance qui règne au centre des expositions de Djamnia Jomaria Dramé. Nous sommes enfin arrivés à destination et nous allons d'un moment à l'autre, en tout cas, passer le relais à Ibrahim Djedjou et son équipe pour ce qui reste de l'événement. Donc, comme vous le voyez, les images sont assez révélatrices. Euh, l'ambiance en dit long, en tout cas, sur la présence des invités qui sont nombreux à venir pour assister à cet événement. Donc, Maria euh, Mariam Dramé, Gisner Linga ko Momleni li nga xamante ne cortège, cortège bi nga cortège président Bassirou président Bassirou Jamaï Faye Yexina. moom la leen di dëgmal nii léegi ah, ah, otoom nag léegi mu ah, gaare fi nga xamante ne nag moo di ci bunt bi gis ngeen oto bi ngeen di gis ci la président bi daal di nekk dina wàcc léegi nag ngir daal di wutali fi nga xamante ne moo di le grand hall du centre des expositions de Diamniadio kon nag président Bassirou Diomaye fay mooy waaj a wàcc jamono ji may addu ngeen di teewlu Mariama Dramé Les images sont assez éloquentes. En tout cas, le moment est solennel. Le président Bassirou Diomaye va d'un moment à l'autre euh, entrer au, niveau du centre des expositions de Djamnyadjo où il va procéder à la prestation de serment devant le, les sages du Conseil constitutionnel. Et pour l'occasion, c'est le modèle d'une salle de tribunal qui a été répliqué ici par l'organisateur Aziz Mbaye. À l'image, le président Bassirou Jomai Faye, qui est salué ici euh, par l'un des sages du Conseil constitutionnel pour, euh, continuer en tout cas son chemin lui vers euh, le menant vers le centre des expositions au niveau du Grand Hall. Ibrahim Djedjou, on va vous passer le relais. À vous. Euh, euh, waat ci kanamu conseil constitutionnel nakala la fas yéene euh, yore kon Bassirou Diomaye Diakhar fay agsi fi ci centre des expositions bu Diamniadio euh, le président Badio Kamara Momoko moo euh, ko euh, le ministre Mankar Ndiaye ak chef de protocole du présidence de la république kon moom ngeen gis ni muy dirigé wu ci salle bi nga xamantene ne fala ka gan yi ak sympathisants yëpp di xaar kon Ibrahima président mi voilà le président Bassirou Diomaye Djakhar Faye qui vient donc d'arriver au centre des expositions de Diamniadio. Sur ces images, euh, vous voyez, elle est accompagnée par euh, Monsieur M. Mankeur le ministre des Affaires étrangères. Et le président Badio Camara. Voilà, le président du Conseil constitutionnel qui accompagne le cinquième président de la République avec euh, justement tout le dispositif sécuritaire requis en ces moments solennels et Bassirou Diomaye le président élu, le cinquième président de la République. Et dans la salle, ça commence à jubiler. Voilà, il passe juste euh, à côté de nous, juste à gauche. Et le président Bassirou Diomaye avec euh, un costume bleu, chemise blanche, qui vient donc de faire son entrée au niveau de la salle, le salon d'honneur pour cette cérémonie officielle qui marque son investiture comme cinquième président de la République du Sénégal avec le président du Conseil constitutionnel. Ils vont justement se concerter une dernière fois avant la cérémonie officielle prévue dans cette grande salle. Voilà, les deux hommes sont là, le président du Conseil constitutionnel avec le président de la République, gardien de la Constitution. Et vous voyez, la salle est déjà très enthousiaste à l'idée de voir le président Bassirou Diomaye Faye. Et vous entendez la salle crier dès qu'ils aperçoivent l'image de Bassirou Diomaye Faye à partir justement des écrans qui sont installés dans la salle et avec le dispositif technique de live streaming. Je vous rappelle que vous suivez tout ça en direct sur la RTS et que les autres chaînes de télévision peuvent prendre les signal de la radio-télévision sénégalaise en muy ay image yu rafet euh, ci gis-gis ndax euh, le plus jeune euh, président de l'histoire politique du Sénégal nga gis ni tey mu jàkkaarloog ki nga xamante rek moom moy le président Badio Camara xam nga lolu mu jiite conseil constitutionnel Ibrahima lii image yu rafet la di taarixu politique au Sénégal donc du yag mu dugg ci salle bi ñu japp rek ne salle bi moom tubaar fakàlla macha allah euh, kilifa yëpp euh, ñu ngi fi teew ak gan yi nga xam ne ñu ngi jógee ci sous région bi. ñëw xew-xew bu am solo am na ay candidats yi nga xamante ni bokkoon nañu ci élection bi euh, ñu ngi fi teew ñu koy ñëw accompagner wax dëgg yàlla mu doon lu nga xamante ne rek lu rafet la ay image yu rafet la ñuy gis ni Ibrahima Sénégal Ibrahima jàmm rek moom moo fi xaaj parce que tamit benn bopp la kenn mënu koo xañ ñaar ñun ñëpp benn lañ nañu eh, gis nañu ne daal eh, li ngeen gis nii ay image yu rafet eh, ay soxnaam teew ñoom it si la ñu bokk parce que ñoom ñoo ko nar a accompagner ci liggéeyam loolu nekk lu nga xam lu am solo la ñoom présidente Innocence Ndap Tap Ndiaye Ibrahima bu am bu dialogue social ñu ngi fi institution yëpp ah, ñu ngi fi représenté nañ leen fii ci salle bi ñëpp teew nañu euh, donc euh, lii nekk na lu am solo ci euh, histoire politique bu Sénégal du yag ki nga xamné mom moy le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina dugg ci ngir nak fekk ci gan yi nga xamante ñu koy xaar kon ñi ngi gis ñom doyen Habib Sy soxna Aïda Mbodj Amsatou Sow Sidibé soxna Aminata Touré ñu jàpp rek ne ñoom ñëpp ñu ngi bokkoon ci coalition Diomaye euh, président macha allah ñoo teew nag fas yéene ko xaar ak coalition bi yëpp nag euh, ñi ngi teew al El Malick Ndiaye euh, mu joué si rôle bu am solo taxawaayam rafetoon lool ci ginnaaw président de la république kon bu du yàgg rek xew-xew bi dor su ko defee nag bu ñu ci noppé su waté ba paré ci kanamu conseil constitutionnel eh, dina dem ca pale ba fekk fa président de la république eh, Macky Sall takkal ko jax bi nga xamanteni moy mooy wane ne eh, léegi Bassirou Diomaye Faye wuutu ko ci bop réew mi. da koy da koy da yi xam nga président de la république dafa am ay mbir yoo xam ne lañ ko mom rek lañ ko si réew mi euh après dinañu euh mu jox ko lengue yi ñu waxtaan saafonte et puis ku nekk ñaanal moromam parce que li si le solo Sénégal mon comme ni koy waxee rek moo gën suñu yi euh, Sénégal fait les continuer nekk fii lañ ko fekk fii lañ koy et puis lépp loo xamante ne dafay taaral réew mi rek di gën a defar euh, suñu nekkin loolu la président yi war a dox képp kuy homme politique loolu nga war a dox ku dul homme politique tamit loolu nga war a dox moo tax euh, Sénégal mon am au-delà justement de l'élection de Bassirou Diomaye Faye comme président de la République c'est le Sénégal qui est sorti grandi de ce scrutin du 24 mars 2024, parce qu'il y a eu tellement de péripéties qui ont fait tanguer le navire, la période qui nous rassemble tous les jours autour de notre devise en peuple, en but une fois. Mais le Sénégal a su se redresser et euh, garder la tête haute, parce que par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer comme turpitude, comme euh, situation difficile à gérer, le Sénégal a montré euh, quand il s'agit de se retrouver autour de l'essentiel, la paix. Le Sénégal reste ce pays-là qui n'a jamais failli justement à sa vocation. Et c'est pour cela que ce sont les institutions de la République aujourd'hui qui, voilà, qui sont honorées à travers euh, justement l'investiture de Bassirou Diomaye Faye Adama barro président de la République de Gambie, qui fait son entrée au niveau du centre des expositions de Djamniadjo xam nga ñu bëree ñu ngi koy rafetlu foo tourner message bu nekk jot nañ ko États-Unis France Allemagne dëkku Afrique yi foo tourner rek ñi ngi euh, jox Sénégal cër bi mu moom ñëpp euh, di rafetlu li nga xamante ni moo am dimanche bi passé ñu voté ci jàmm euh, le lendemain ku nekk xëy dem dox sa soxla parce que Sénégal comme ni ñu koy waxee war na dépassé sax ay mbirum élection yu jaxasoo wala yu indi coow wala fitna ci réew mi

ay opposants lañu ñu woon maanaam ay adversaire politique Boubacar Camara ñi nii euh, nga seen fii de l'autre côté, ñoom Déthié Fall la coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. euh, les membres du gouvernement gis nañ fi d'État le président de l'Assemblée nationale le président Amadou Mame Diop mi ngi Ibrahima gis nañu le ministre Moustapha Ba euh, ministre de l'économie ministre des finances voilà ministre des finances ñoom ñëpp ñi ngi toogandoo moom la moo la ay images yu rafet ngay gis fii ça c'est le Sénégal lii moy Sénégal ñun ñëpp benn lañu euh jongante la woon jongante ba jeexna na ñëpp nañu joxante loxo jàppante ngir nag euh, luy avancer réew mi lu jàpp rek na xalé yi tamit ñu ngi xaar lu bari Ibrahima ci euh, le nouveau président est-ce que du le président Ousmane Sonko moy ñëw noonu Ibrahima en tout cas amna benen gan buy ñëw euh, am naa yaakaar ne boo moytuwulee non président Mbalo Mbalo, de la Guinée-Bissau ah. qui arrive au centre des expositions de Djamniadjo. Voilà. La Gambie, le Burkina, le Mali et la Guinée-Bissau après le Cap Vert, le président est déjà installé au niveau des différents salons. Hein.

dépassé ay mbirum élection yu am ay jafé lolou le euh ñëpp nangul président Macky Sall parce que taxawayam aussi ci élection bi be lépp jaar yoon be lépp mujj ci jamm parce que amna na leneen nu mu doon demee rek Sénégal peut-être que instant yi ñi ngi doon wax leneen lunul jàmm motax ñu gëna a suñu institution yi gën leen dolel ba paré dox leen seen wàccuwaay ba paré wóolu leen parce que qui moy indi climat social bu apaisé lolu moy tax scrutin politique rek mëna jall parce que politique dafa nek ben temps rek vie socio-économique bu dëkk doxal dëkk moy mais ça. ba man def sama peut-être du ko xaar vous man sax un comme niñ koy waxé rek kenn tout xaar ñu la si li nga xamanteni Sénégal opération cette

Bassirou Diomaye Faye président ak ki nga président cour suprême euh, cour constitutionnelle Ousmane Sonko voilà à côté donc euh, du président Mbalo et justement du président de l'Assemblée nationale du Mali c'est une génération de politiques qui s'installe y a une image générationnelle madame, le Sénégal jëm kanam léegi nag comme que pouvoir bi dafa aussi, si ay ndaw il faut que ndaw yi tamit wone mm-hmm. parce que forcément ils seront mis à l'épreuve et il va falloir faire la différence par rapport à ce que le Sénégal a toujours connu et à ce que eux-mêmes ils ont toujours décrié maanaam fexe mais vous ñu leen dégg si naka sulul noonu mm-hmm. luy tax Sénégal gën a jëm Nous ñu fekk président yu fi depuis Senghor ba euh, Macky Sall jot nañ fi def si lu baax ñom ñu gën ko renforcer gën ko yaatal motax transmission générationnelle du pouvoir lolu benen sas la si ñom motax ñuy japp ni ñepp dañ ci duggal seen loxo gungé len ku si ku leen mën yedd yedd len ku leen mën a gindi gindi leen mais finalement li nga xamante modi projet bi tax ba tay ji ñun jël basiru Diomaye Faye élire le président de la république cinquième président On est que, président sénégalais, nañu ni ndaw ñi nañ aussi euh, ñu jàpp rek ne si image gis nañu ne le euh, sous-préfet bu Dakar euh, Plateau Djibi Diallo di wax rek ne gis nañu aussi le gouverneur de Dakar Alassane Alassane Sall ak le préfet bu Dakar ñoom ñëpp gis nañ leen ci ci image yi ñuy ay personnalité yi nga xamante ne rek seen taxawaay am na solo loolu ci capitale bu Sénégal gan ñi ba tey Ibrahima ñoom nga gis nañu ñooy waa Maroc. Euh, di japp rek ne dama li wax dafa am solo. président commission euh, union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest sénégalais Moi, mm-hmm. moo tax UEMOA euh, mm-hmm. voilà mu doon di nga ñom ñëpp fi ñëw. Mm-hmm. institution yi yi nekk UEMOA ak institution yu euh nu tudu euh CEDEAO. Union africaine qui gis nga président Mohamed ñëwoon na ñepp fi teew parce que Sénégal mo ayé Sénégal mo woté té gis nga li may wax rek moy ndamu Sénégal weesu na rek tab wala fal président ndamu Sénégal ci pàcc bu nek gis nga force de défense et de sécurité diplomatie Sénégal ñuy accueillir Sénégal lépp jaar yoon so gisee escorte yi nga gis auto yi nga xam Sénégal mën na bësam mën na téral kat té loolu li day gëna rafetal image du Sénégal à travers le monde

au-delà de tout ce que l'on peut dire hein, sur euh, les valeurs de notre pays, il y a justement le président Doumbouya. Le général euh, Doumbouya excellent. Euh, de, la Guinée, la République de Guinée. Maman Axi. Moi, mooy li ma doon wax sànq sous région déjà il à commencer à a leaders yoo xam ne kenn xamu leen qui peut-être nous engager, où si plus politiques, politiques voilà Madame plus euh, dirigeant réew madame dirigeants que ce soit sur euh, euh, justement décision du peuple

ñoo xam a ak suñu euh, euh, mbokk bi fa nekk euh, yooyu yëpp dafay wone li nga xamante ne mooy Afrique ñu gën ko mën a jox cër bitim réew si continent parce que li États-Unis mën def li waa Europe mën def waa Afrique war ko mën Asie parce que dañu organiser wu moo dañu war a dëgëral suñu institution yi. suñ ko dëgëralee rek jàpp naa ni li si des yëpp dana yomb lijjanti. dana yomb lijjanti comme comme bi xéewal yi lépp dana yomb lijjanti. mais c'est vrai que Ibrahima Sénégal euh, c'est un pays très organisé ba pare très structuré. Eh, yaakaar naa ni comme ni nga ko waxee eh, état bi moom eh, wax dëgg yàlla lépp la nga xamante ne war nañu koo def ñu ngi koy def ci fan na bu nekk suñu institution yi tubaab fakal macha allah dëgg nañu këj te ñu ngi doxalee nañu waree doxalee xam nga loolu nag nekk na li nga xam dafay yombal lu bëre surtout organisation wu ay élection yaakaar naa kenn dootu ko jàngale ci waa Sénégal mën nañu élection yu yu dal te du am benn fitna te loolu la ñu wane eh, ñaar fukki fan ak ñeent weeru mars bi la président eh, général dumbiya bu nag Conakry ngeen gis noonu muy ñuenteeg gañim fi fekk ñu jàpp rek ne moom mooy njiitu réewub eh, Guinée suñu mbokk guinéen yi Sénégal nag ak Guinée benn bopp la ndax guinéen yaa ngi fi di suñu ay dëkkandoo eh, ñu nag saxante ay teraanga yu am solo eh, yu nga xamante ni yàgg na ça fait des années Ibrahima waa Rwanda ñoo ak agsi noonu Bataille qui ci ci Ousmane Sonko ngeen gis euh, le général Doumbouya euh, macha Machallah, image au rafet. Ousmane Sonko, c'est le président du parti PASTEF. Mhm. Il faut rappeler que le président Bassirou Diomaye Faye a démissionné justement de son poste euh, de secrétaire général de ce parti-là parce que dans le projet, mhm. Il est indiqué que le chef de l'État ne peut pas être un chef de parti ou être euh, un membre du directoire euh, dans quelconque parti. Voici les membres du Conseil constitutionnel qui s'installent. en, ce, jour historique pour euh, le Sénégal, les Sénégalais qui ont élu Bassirou Diomaye Djahar Faye comme cinquième président de la République et il va venir dans un instant rejoindre le présidium. Parce que la salle a été transformée comme justement un tribunal, euh, comme euh, on le voit au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est là qu'il va prêter serment euh, en compagnie justement sans doute de sa famille, de ses parents. On a vu tout à l'heure son père, on a vu également son homonyme euh, Jomai Fay, hein, qui a été également interviewé par Ibrahim Anong dans les éditions du journal télévisé. Mm-hmm. Et euh, la salle est archi comble mm-hmm. et tout le monde euh, est pressé d'entendre justement le cinquième président de la République du Sénégal, Bassirou Jomai, Diakhar Faye. Alors, Rama, l'indon de changer. Madame, taaru Sénégal moy def élection si jàmm double si liggéey gi am nga chantier yi bëri na ñu ngi wax pétrole ak gaz way am na leneen ak leneen lo xamantene war nañ ko euh, gëna a defaraat lépp lu jëm si mbirum wér-gu-yaram lu jëm si mbirum jàng bi si université yi ak si école yi ndaw ndawaan yi infrastructure yi c'est vrai que euh, président Macky Sall def na si lu bëree si mbirum tali mbirum courant production énergie euh, gaz bi ak pétrole bi su ñëwee dina gën a jëm kanam mhm waaye chantier yi bëri na je pense que formation professionnelle aussi xale yi am métier. Et surtout parce que, parce surtout que, formation kuy sàkku liggéey faw nga am. métier voilà euh, surtout formation professionnelle gën ko yaatal. Eh, ngir nak mën a ndaw yi tagat len ngir ñu am métier ngir nak ñu mën am fuñu sitourlo ndax lool xalé ñu ngi koy xaar bu baaxa baax ndax kenn ku nekk yaa ngi xaar li nga xamantene rek eh, mën nga ci yëngu eh, ngir nak mën téral sa bopp téral say njabot te ñu ngi koy xaar bu baaxa baax ci le nouveau président moom mi nga xamantene ne ndaw la comme ñoom di Bassirou Diomaye Faye. li nga chaise bu weex bi mhm. fofu lay tok euh, moom lañ doon wane sànq. waaw gis nag saa Osman Soko, euh, Ousmane Sonko. Mhm. Euh, saal mhm. parce que Pastef moom mooy président parti bi mhm. moom la ñu gënoon ràññee avant sax ñu bëree di découvrir Bassirou Diomaye Faye mhm. waaye tey jii gis nga yàlla lu muy def waaw xam nga moom moo waral coow li moom moo tax eh, saay bu ñu gisee image ak mbégte la ñuy àndal tax foog ñu tàccu ndax nag moo tànn Bassirou Diomaye Faye pour mu dama dafa mel ni midi commencé na dañuy déglu président Badio Camara Badio Camara président du conseil constitutionnel l'installer la place qui lui est réservée. Voilà. Dans un instant, nous allons assister à l'entrée du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président du Conseil constitutionnel a demandé justement à Madame la greffière d'aller chercher le président Bassirou Diomaye Faye. Et vous voyez euh, sur les images de Sabassi Faye qui est juste à côté, voilà, avec euh, le chef du protocole de la présidence Mamadou Ndiaye ñii ñooy dem président Indico, indi ngir serment euh, chef protocole de di Mamadou expliqué, mais ngi di expliquer ni koy kon président Bassirou écran bi lan ngay gis gaynde ak photo Bassirou Diomaye Faye xam nga emblème mu Sénégal gaynde la et dans un instant le président Bassirou Diomaye Faye et ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui vont faire leur avant celle du cinquième président de la République du Sénégal. waaw gan yi ñooy njëkk a dem dugg ci salle bi installé wu ba pare gis nañu ne euh, daal maam yenn ci membre conseil constitutionnel génn nañu ngi dem nag jëli euh, le euh, nouveau président de la République léegi nag gan yi bu ñu duggee ci salle ba installé wu si ngeen di gis nag le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko mooy dugg si non ci ci salle bi. Euh, gunge gan yi ba ñu toog su ko defee nag euh, Bassirou Diomaye fay ànd ak euh, membre conseil constitutionnel ngir dem nag toog ci place ba ñu ko gardeel kon ngeen gis noonu ne njiitu réew yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw ak représentant yenn réew yi nga xam ñoom ñooy ñëw euh, ñoom ñoo dugg si noonu euh, ñooy dem toog euh, si seen place après le président Ousmane Sonko tamit toog ci place am léegi nag waa conseil constitutionnel yi nga xam ñoo ngi nii génn ngir jëli Bassir Diomay Fay ñooy ànd ak moom comme ça mu dugg nag toog ci place bi ñu ko gardeel Ibrahima. voilà Rama place Bangok mooy chaise bu weex bi fa la président Bassirou Diomaye Faye du toog Giancarlo ak que euh, pour me prêter serment après muy alors ñaari Excellence. sal Excellence. le chef de délégation des pays amis, li

du yàgg mu génn ñu ngi xaar. dama loolu ci tradition Sénégal la am benn wala ñaar wala ñett ñetti soxna euh, ko kon euh, dans un instant en direct sur la RTS l'entrée du cinquième président de la République du Sénégal vous voyez vous avez vu le président de la Mauritanie, euh, Mohamed Oulgazouani, Adam Barro de la Gambie, Amaro Emalo, Sissoro de la Guinée-Bissau. Et vous avez vu ce public très enthousiaste. Euh, voilà, Ousmane Sonko, ses épouses, euh, mais également Bassirou Diomaye Faye également, qui est là. Et l'ovation de la salle à chaque fois que l'on cite le nom de Bassirou Diomaye Faye. Voilà. Il y aura une grosse ambiance ici à la salle des expositions à chaque fois que l'on montre l'image de Ousmane Sonko. Vous allez voir euh, dans un instant arrivé le président de la République du Sénégal, Sébastien Diomaye Faye et euh, le, maître de cérémonie hein. moom mooy waxagum nii. Gani présenter gan yi armée sénégalaise la Nek, mooy tàmm def euh, euh, cérémonie armée yi journée des forces armées à qui est xew-xew yi am armée bi. solo parce que Ibrahima dama am yaakaar bu président bi duggé rek cérémonie bi dafay commencer. naa la moo ñuy ñu jëlee devant. présenter gan yeeg la ta président bi di dugg ci Superé, su su ci limbi après ci la jall ci cérémonie officielle bi. Euh, Ibrahima nag euh, di coupe Mamadou Doumbia bi vraiment neex nañu torop macha allah wax dëgg yàlla. waaw mais xam nga fii ñi fi teew yëpp ñi fi dëkkandoo la ñu wax dëgg yàlla. ñi fi teew yëpp dañ fi am place xam nga Cap Vert mënoo wax tudd Sénégal te doo tudd Cap Vert. wax la Gambie wax euh, waxati noppi. Guinée bi ngay wax ni Guinée Bissau Mali benn la. benn la colonisation moo ñu. indi lay jafe-jafe Sierra Leone bii ngay gis sax ay ay suñu ay pël yu bëri ñu ngi fa ay mbokku Sénégal Burkina façon kenn waxatu ko su bëri si jën yu consommé Sénégal lay jógee ak yeneen i yeneen yeneen yeneen yoo xamante ne. mais Ibrahima am na yu bëri Côte d'Ivoire kenn waxatu ko soo waxee Côte d'Ivoire wax Sénégal si lu ñu bokk si. Sénégalais yi fa nekk bëri lool soo demee Treichville wala yeneen dëkk yi maanaam Sénégal si boppam moo nekk dëkk boo xam ne monsieur Omar président de la commission de la CDAO, et monsieur Abdoulaye Diop président de la commission de l'UEMOA. enfin à signaler la présence parmi nous du corps diplomatique accrédité au Sénégal de nombreux invités de marque, y compris des membres du secteur privé, société civile et d'autres catégories socio-professionnelles. Je vous remercie de votre aimable attention. Euh, mu génn dem ci euh, salle bi nga xamante ne rek foofu lañ koy xaar. Nigéria CEDEAO la bokk ñoom dañoo nekk li nga xamante mooy puissance ci Afrique bokk na ci dëkk yu ñu gën a ràññee ci Afrique moo tax suñ fi teewee tey day gën a suis li ma wax rek Sénégal loolu dafa am solo Sénégal je loolu di parce que Nigeria, su teewee Côte d'Ivoire mhm. Mauritanie Mali Guinée les deux Guinée Guinée Bissau Guinée Conakry dara desatul wax dëgg yalla li wane na ni eh, waa Sierra Leone tew machallah allah eh, li wane na Sénégal mën naa dajale réewu Afrique yëpp ci réew ci eh, réew mi ñu nek di Sénégal te it Sénégal mat nañu mat ngoo xamantene rek mën nañu comme ni ko woné organiser ay élection yu transparente apaisé ndax c'est un pays démocratique ken mënu ci ken lool mom Ibrahima ken dootu ko lam lam suñu mbokku Gambie ministre des affaires étrangères. Mm-hmm. Je euh, parce que uh-huh. c'est un jour mémorable uh-huh. c'est un jour qui sera marqué à jamais dans l'histoire du Sénégal et quand le Sénégal euh, gère la transition démocratique se passe ça se passe comme si c'était ailleurs dans un autre pays africain. Parce que le Sénégal est une référence. Le Sénégal, c'est le pays référence en matière d'autres pays ont suivi Cap Vert na si que a que le démocratie euh, président Nigeria, Mo Aksini, di dugg

surtout euh, jamono yu euh, ouverture euh, fekkee li nga xam ne du am solo la ci histoire politique bu Sénégal du yàgg euh, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina génn toog ci salle bi euh, ngir nag euh, jàkkaarloog waa conseil constitutionnel ngir waat naka nar a yore réew mi. Ibrahima mu nag le président Tinubu bu Nigeria waaw phrase am boobu kan. ba le président Bassirou Diomaye Faye phrase am bi ñuy xaar ak am solo. moy phrase waat bi. ak am solo phrase bu am solo la. Matar Diop euh, vice-président de la Banque euh, mondiale et vous avez mm-hmm. vu. le président Bola Tinubu du Nigeria qui a fait son entrée tout à l'heure. Allez, euh, dans un instant donc, vous allez assister en direct sur la RTS Bokini Teoulou à l'investiture du président Bassirou Diomaye Dakhar Faye. Parce qu'après lui, euh, sur cette loi, sur les palais de la république drapeau c'est pas ci palais tout le président bi initial yi lañ comme Macky Sall dañuy def MS Mais à partir de tey dañuy jël initialu Bassirou Diomaye Diakhar Faye def loolu mooy wane ni moom la ñu dénk raaya réew mi bi gën a mag parce que drapeau Sénégal moo ñu tënk ñun ñëpp mooy tax ñu. ràññee drapeau bu ndaw bi Ibrahima. buy topp ci bu mag bu ndaw bi ak bu mag bi. bu ndaw bi bu ndaw bi la bind turu. président bi xam nga bu ndaw bi initial am bu ndaw bi. Mhm. moo nekk ci suuf. Mhm. loolu mooy turu président bi. Mhm. waaye bi ci kaw mooy Sénégal. maanaam loolu mooy wane ni Sénégal moo gën jëmm yi. moo tax tur bi di nekk si suuf drapeau bu ndaw boobu su voyagé dañ koy wàccee loolu mooy wane mbir bi kon nag Sénégal ngook voici donc mesdames et messieurs en direct sur la RTS l'arrivée de son excellence le président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye entouré justement des membres du Conseil constitutionnel, des greffiers, qui vont venir l'installer dans la salle du centre des expositions de Diamniadio en ce 2 avril 2024. Le Sénégal investit son cinquième président de la République du Sénégal, ah, Bassirou ah, Diomaye Faye jamono ju am Ibrahima le plus jeune euh, président de l'histoire politique au Sénégal 44 ans le am ñeent son excellence Bassirou euh, Diomaye Djahar euh, Faye juddu le 25 mars 1980 ca ci Thiès voilà Ramaboy, Boy le moment est solennel vous êtes en direct sur la RTS le 2 avril 2024 le Sénégal investit son cinquième président de la République. vous allez entendre le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, qui va donc ouvrir la séance. Tout le monde est en place. Monsieur le Président de la République, soyez le bienvenu dans cette salle aménagée spécialement pour recevoir l'audience solennelle de votre prestation de serment de Président de la République. Madame le chef du greffe, Veuillez donner lecture de la décision du Conseil constitutionnel proclamant les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Merci, Monsieur le Président. Prestation de serment et installation de Monsieur le Président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le Code électoral, vu le décret numéro 2024-690 du 6 mars 2024 portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024 691 d'ici mars 2024 portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2 E 2024 du 20 janvier 2024 arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 e du 20 février 2024 modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République. Vu la lettre numéro 181 2024 PPCAD du 28 mars 2024 du premier président de la Cour d'appel de Dakar président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès verbal des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame. Article 1er. Monsieur Bassirou Diomaye Diarra Faye est élu président de la République du Sénégal. Article 2. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, Madame euh, chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et chefs de gouvernement, honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de Teranga. À ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marquée du sceau de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle qu'on croyait définitivement compromise a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature à altérer la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosités exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande mais quel est donc votre secret De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en dix jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix. Le président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril, qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral, dans toutes ses composantes, a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes, vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall, qui, avec la détermination qu'on lui connaît et dans un délai record a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, Monsieur le Président Macky Sall. Monsieur le Président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État, obtenu en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra de vous que vous vous êtes abstenu volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. Point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Djamnado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, Président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le Président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au palais de la République, avant même la proclamation des résultats définitifs, témoigne de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit. à En application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamer la victoire de M. Bassirou Diomaye Dahar Faye à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont à première vue l'image et le discours sont empreints d'humilité et de sobriété. Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais. Et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. Vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes, accompagnés parfois d'enfants, dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte, au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président de la République, le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera, au sortir de cette audience, de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité, malgré nos diversités culturelles, géographiques, religieuses, entre autres, qui justifie la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État des pays amis et de pays voisins, ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Djahar le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités. Ses voeux de succès et ses chaleureuses félicitations à vous, à votre famille, parents, amis, et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. À l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir, l'ivresse de la puissance, les démons de la division, il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme, en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République, vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise, du respect des institutions, des droits et libertés, gage de la stabilité de l'État et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple placés en vous, Monsieur le Président de la République, fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Djahar Faye, au nom du peuple sénégalais, le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, veuillez lever la main prononcer la Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Monsieur Bassirou Diomaye Jakhar Faye, élu président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions. Le Conseil constitutionnel dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République, plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous. L'audience est levée. pour Bassero euh, Diomaye Faye, cinquième président de la République du Sénégal. Le Conseil constitutionnel vient donc euh, de l'installer dans ses nouvelles fonctions. Il sera le garant de la Constitution, président de la République, chef de l'État du Sénégal. Et il devra justement, comme l'a rappelé le président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal, jeunes hommes et femmes du Sénégal, qui donc ont participé à son élection. Et vous le voyez sur ces images, les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer, saluer Bassirou Diomaye Diakhar cinquième président de la République. Dans son discours, le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils. Éviter l'ivresse de la puissance, les démons de la division et se rappeler toujours, constamment, de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider aux destinées de ce si grand pays qu'est le Sénégal, qu'on Boy, président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son excellence, est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions. samp nañu ko ci euh, liggéeyam bu bees muy njiitu réew Sénégal di juróomeelu bi yoon bi ñu koy amal mu nekk nag moo gën a ndaw ci njiitu réew yi fi jot a am yëpp ci taarixu politiku Sénégal Ibrahima xam naa ni euh, day fotandoo ak euh, waa conseil constitutionnel ñu jàpp rek ne Ibrahima kilifa diine yi tamit ak kilifa aada yi tam teew nañu fi te teewal nañu fi ku baax ku tedd ku sell ku ci Touba Serigne Fallilou Mbacké son yu bu moo ko fi teewal kon nag ñu jàpp teewal sëñ Mountakha mooy ku baax ku tedd sell ki ci Touba sëñ Mountakha Bassirou Mbacké kon ñu jàpp rek ne tamit eh, kilifa diine yi ñoom it kenn ku si nekk am nga ku la teewal tey ci bis bu am solo bi ci eh, ah, ah, ah, ñoom ñoo yor ñaan yi ñoo yor ñaan macha allah da leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di ziarale tamit sëriñ Abdou Samat mu sañ son yu bu ñu ngi koy ziar ak sëriñ Cheikh Say mu sañ son yu bu nga xam ne mooy xalif bi kon nag mu ngoog président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mooy juróomeelu président président de la République du Sénégal euh, le président Badio Camara ak waa conseil constitutionnel ñu mu àndal samp nañu ko ci euh, liggéeyam bu Ibrahima euh, séance bi levé nañ ko mais léegi jeexagul dafay daal di dem ca palais ba fekk fa ki nga xam ne Le la fi président Macky Sall ñu àggale li nga xam jëm ci wàllu xew-xew président constitutionnel moom si boppam euh, conseil constitutionnel moom si bopam delloo na président Macky Sall engagement bi mu bi mu jël bi mu am élection yi si dir bu gàtt ñu mën ko def lépp jaar yoon amul contestation qui euh, nga xamante ne ni ministre de l'Intérieur, euh, conduire scrutin bi finalement Bassirou Diomaye Faye que président de la République ñu delloo ko président Macky Sall

de notre programme qui se déroulera comme suit. Tout d'abord, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'écharpe de Grand Croix de l'Ordre national de Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre national de Lyon. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République recevra dans l'ordre les félicitations du Président du Conseil constitutionnel et les membres de Mesdames les Premières Dames, de leurs Excellences, Messieurs les chefs de l'État, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement interarmé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'échappe de Grand Croix de l'Ordre national de Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre national de Lyon. Voilà donc euh, le cérémonial qui se poursuit. Le président de la République du Sénégal, bassio Diomaye Faye, en compagnie de son Excellence Mamadou Ndiaye, chef du protocole de la présidente de la République, avec le grand chancelier, le général Meissagnan, qui vont procéder justement à l'autre aspect de cette cérémonie officielle. Il va recevoir donc euh, les sceaux de la République à travers ce collier que Ibrahim nous a présenté dans le journal du grand maître de l'ordre national du Lion. Parce que c'est ça la tradition républicaine.

Eh, dinañ dem nag eh, takkal ko ko waaye cérémonie bi loolu jeexalu ko de Ibrahima foog mu dellu si waat tamit eh, ndax nag soldat si foog ñu delloo ko njukkal bu baax a baax nu jàpp rek ne daal mën nañu wax ne daal cérémonie bi li koy jeexal mooy bu pare ci lii ñi nga xam ñoo fi teewal institution yu nekk ci réew mi dinañu ko ndokkeel comme nuñ ko waxee ak gan yi nga xamante ni ñoo jóge seen réew ñoo teewe xew-xew bu am solo bi dañu ko ndokkeel ak nga kilifa lañu bu euh, buñ ci noppee nag euh, soldaar si daal di ko delloo njukkal euh, mu soogee nag jeexal xew-xew waat bi nga xamante ne rek waat na ko léegi ci kanamu conseil constitutionnel. waa xam nga lu am solo Rama Boy mooy république Sénégal benn la. Mhm. réew mi benn la. moo tax ji nga sécurité bi ñoom ñëpp ànd jox ko cër. mais au moment, force de défense et de sécurité sur la posture républicaine qu'ils ont l'armée la gendarmerie la police euh, les sapeurs-pompiers les eaux et forêts la douane euh, le service d'hygiène militaire paramilitaire dans deux jours nous allons célébrer le 64e anniversaire de notre indépendance ce qui veut dire beaucoup de choses pour euh, sans doute cette euh, jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers Bassirou Diomaye Diakhar Fay. Et tout à l'heure, nous annoncions également que le président du Ghana, Nana Akufo Ado, est bien présent dans la salle, de même que le Premier ministre Sidiki Kaba. Ils sont tous là pour euh, assister à cette euh, cérémonie officielle consacre l'investiture de Bassir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme président de la République du Sénégal. À partir de maintenant, d'aujourd'hui donc, il sera installé dans ses nouvelles fonctions. Et le président Badiou Camara tout à l'heure rappelait ce qui s'est passé juste avant cette élection, les péripéties, ce qu'on a connu avec... Euh, ses suspicions sur le fichier électoral, sur euh, le Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au Sénégal. Après, justement, que des députés de l'Assemblée nationale aient voulu, euh, justement, enquêter sur euh, ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce Conseil. Et certains, par honneur et par dignité, ont dû démissionner. Il a rappelé que le Sénégal reste le Sénégal. Ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique. Il a rappelé encore une fois cette sagesse de tous les chefs d'État du Sénégal qui ont toujours respecté les décisions du Conseil constitutionnel ñoom musuñu am jafé jafé ak euh, président yi fi nek yi fi mës a nekk ndax décision yi mës jël yépp ñom président yi dañ ci tënku ak coow li mu bëri avant élection yi ak yépp mi ngi fàttali ni ñom duñu nekké nekkee seen ay xarit yu nek bitim réew parce que soo nekkee juge wala magistrat wala journaliste nga may xarit feneen ñoo xamné yéna jangundo a jàngandoo mi ngi fàttali ni ñooñu ñëpp dañ leen di né Sénégal la luñu jaaxal mooy sax ñu démé bi fogné ne gaal gi dana suux si mbirum politique ngeen jógaat nekk benn toog waxtaan ba jubóo Sénégal pays de dialogue Senghor ju juumu ndax dialogue am na fi avant élection yi di am ñii d'accord si lii ñii bañ a d'accord si lii bu ñu demee ba si biir président Macky Sall xam ne lii tënk ko si élection ñu def ko kuy gañ a gañ a moo gën a wóor amul ay laam-laame troisième mandat wala ay élection du am wala ñoom it seen tey Président du conseil constitutionnel Fatilino, administration sénégalaise ak ñi nga l'élection gérer élection et Sénat avec une justice neutre et indépendante parce que tey jii tamit sénégalais yi justice bi nu mu tëddee njaxanaay loolu lañ koy waxé politique C'est loolu dafa am solo parce que nous sommes une institution judiciaire du troisième pouvoir dans un système démocratique institution boobu dañ ko war a cëral hmm. aussi ñu gën leen ñaax gën leen ñaanal ñu def seen liguey ci anam yu gën parce que juge dafa dafa 10 juge dafa 10 nek président de la république dafa 10 hmm. peut-être que ça bokk ni ci liguey yo xamantene so amé amee rek ak seetlu mën na nek lu yomb ci yow hmm. motax président ne ko président conseil constitutionnel ne ko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

Bassirou Chomay Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle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 Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, Excellence Dr Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone, Excellence Umaru Sissoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau, Excellence Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya,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

Manawicowi Adama na boju nawaliła. j a mi zapłaje, a ja zasuje. Jak tak zmienia, c z u j a pan bok, a poteł. Miarę chyba poteł. I mam a może tyle. a A d i czy? a o i e v e n e m a w i k p r a d i d e n t sur la t a p u b l i q u i e du Sénégal, Batilou i d i k o t a y e d i a k t a r Faye, mooy dalal ay ganu Sénégal ñoom ñooy ñëw benn kenn kenn ñëw nuyu ko wala président m a u r i t a n i a di président Union africaine Mohamed Ould El Ghazouani moom mooy njëkk a nuyoo ki nga x a m a u t i e a e moo di président Batilou Diomaye aussi aussi de ça m'a perdu des compagnies sorties, qui a concernant étrangers, ici, la loi et السنغال اللي من جامعه سان بورتو الى سان سيرك موي منين كتبت بيان سور باسكو خام خام خام خام دو ايطاليان دو امريكان دو سينيغالي خام خام دو جابوني خام خام نيت نيت مخمو نيت لكو جابلي صافا جابلي كل يكون بيما داك باسكو كاين كونديسيون اللي تخدموا على خام خام ابري تكون ديكو خام خام وتجري غادي تدير خام خام دونك اللي فايت كما كاين كيف كيف كيف خام خام داك امجري لولو دونك dans son discours tout à l'heure, le président pensait que c'est pas une génie. Est-ce pas bien, c'est bon, bon aussi, mais là, il y a un intérêt à tenir compte de l'honneur. Un conseil, un conseil, un conseil. Saí do not a luz. Eu e o santo do reino. O abismo, pois é, não. A fiquei aí, menino, eu creio, eu sou ainda. Eu creio, Jasna, jasna, jasna. się